mamannan mu na fada da ke shuraren mu bisa kan wannan shirin da studio kalango ke shirya matasa a kowane karshen mako Amis de la FADA, aujourd'hui nous sommes bien calés dans la ville de Bouza, située à 130 km au sud-est de la ville de Tawa. Hira Mutayo, bata jin daɗi bace, amma da yake da ya shafi matasa dole anan En début du mois de mai, un élève de 12 ans en classe de CM2 a poignardé à mort son enseignant dans la commune rurale de Bambankatami, à Nan bayan après cela en début du mois de juin 2022 c'est la vidéo des jeunes scolaires en train de vandaliser des tables bancs des ventilateurs et des portes des salles de classe à Tilaberi qui a littéralement cassé internet to mu qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on en est arrivé là Il y a abubuwa suka à ce niveau Yakuba de l'association des mères des élèves, Isaac Yakuba, représentant un parent d'élèves, Boukari Mahamma, euh, est du mouvement des jeunes citoyens pour la paix et la stabilité sociale, Ibrahim Saadou, professeur de maths, mais également le SG du syndicat des enseignants du secondaire, ici à Bouza. Issoufou Moussa, lui, il est professeur d'histoire géo, également euh, chargé à la formation syndicale. Donc, ben, bien sûr à la fada, il la musique, la rubrique, mais aussi la chronique. amma na fada wani bincike da aka yi bisa kan dalilan musgunawa cikin makarantu a shekara 2017 ta nuna que 48,1% des élèves ayant participé à l'enquête déclarent avoir été victimes de violence de la part de leur enseignant. Amma, dans un genre, ils se foutent. Daman, en sabot, à ta, à ta, ko ko dai sai an fi izole qu'est-ce qui s'est passé bisa ga abin da ya faru wannan zancen wannan abu da ya faru cikin kwamitin babban katami mhm. ban iya cewa ga abin da ya faru tun da yi har yanzu maganganu ne mm. abu guda muka sani eleve ya soke mushe ya rasu mhm. Allah ya mai cika kuma an thank you musulman sai in ce da duk wanda ya rasu lokacin shi ne yi amma abubuwa na faruwa waɗanda ya kamata a ce tun da nisa an tsawa tun ba su yi nisa ba a tsawata su irin abubuwa ana doka su eh, da wasa ko ko ana barin sai sun girma yaro bai respectan mushe ya ɗauki mushe ba wani abu ba shi ne za ta bashi dama gobe in ya samu sai ya soke shi ko ko sai bige shi kuma akwai wani abu da ya kamata in gaskiya mutane za su su rika gayin shi akwai wata rana mu ma ba samun waga raso zan yi zance ta mushe a'a eh, abu da mushe da elev wasu abubuwa na faro wanda mushe ke ja ma kanshi wani reni wajen elef Ok. parce que Mouché, c'est une sorte d'autorité. Même si l'État a dépourvu l'enseignant de cette autorité, l'enseignant doit se mettre en tête qu'il est une autorité. Secondaire, bai kamata a ce yayi wani abu ba ya kaskantar da kanshi. Za mu shirye ni ko shi da elevikin. Merci. Y a Yanzu bari zo wajen syndicat. Ibrahim, vous avez une certaine vue d'ensemble globalement de ce qui se passe dans ces établissements. Et si je peux le dire, de par votre position, qu'est-ce qui se passe dans ces écoles Merci. Vous avez parlé euh, d'un chiffre, je crois, 41%, n'est-ce pas oui Des... élèves qui disent avoir été euh, victimes de violence de par leur... Euh, je vais vous dire, le plus souvent, c'est des chiffres quand un enseignant essaie de prendre ses responsabilités pour se comporter en père, parce qu'il n'est pas seulement enseignant, il est éducateur. Et les enfants font de ça des violences. Mais en réalité, c'est sa responsabilité de donner des petites gifles à l'enfant mhm. pour euh, l'interpeller. Hmm. Et c'est ça. Et c'est en fait, ces questions-là, ces sujets-là qui font que euh, les enseignants se retirent de faire tout cela et que maintenant, c'est aux élèves de chercher même à agresser les enseignants le dauphin Moussa Issoufou Dankande, paix à son âme, a rendu l'âme. Et malheureusement, malheureusement, c'est la tentative malheureuse réussie de plusieurs actions des enseignants, particulièrement dans la même commune. ont été plusieurs fois victimes de ces attaques-là. Ah, ça, c'est pas un cas isolé. Hein. C'est pas, pas, un cas isolé. Ça, c'est aggravé. Ça, c'est le culminant en fait. Ça doit être à la rentrée, je crois, je ne me rappelle pas exactement du mois. Le proviseur du, CS de la même commune a uh-huh. été victime d'une attaque à l'école dans son lieu de travail, comme le défunt Moussa Nankandé. Par des élèves encore C'est des individus. En tout cas, moi, je n'étais pas sur les lieux pour voir, mais ce qui est sûr, il y a eu des arrestations. Ça veut dire que le fait est là. L'infraction est consommée. Donc, c'est pour dire que il y a eu des tentatives, il y a eu même des actions. Il y a ceux qui ne veulent pas dire, bon voilà, Allah ou Allah Kiaï. Nous avons fait une déclaration après le drame mhm. et dans laquelle nous avons fait un résumé succinct de 3 à 4, je crois, cas à Taraurao, à Taboteki, à Babankatami. Et c'est malheureusement dans le même département de Bouza et beaucoup de cas de la même commune. Euh, c'est plutôt extrême comme violence. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Monsieur Isaka Pour ababar ku za mu fara. Kuma oh, eh, na ji abokan shawara magana wannan vraiment Abende Khwaru, c'est un sai Hai yanzu zan komo in ƙara calihi na gwamnati ne. Gwamnati shi ɗauki mataki yanzu ka ɗauki misali dan les années 79 dalle zane 80 dalle zane 84 yaro ɗan lakwal inda an ce wannan ɗalibi ne yana tsoron shi na ta yi bisa hanya shi game da mushen shi to furkuwa famintuna yanzu an baya yare poternite an ce su ma manya ne kenan ba za su ɗauka daraja masu karantashe su ba kenan har yanzu gwamnati shi ƙara diba ya ƙara bancika maganganu wannan abubuwan da ya dekire wani dekire wani menene duka za su yi shi ba zai aiki ba kuma a hidda siyasa da cikin lakwal in suna son siyasa su yi ta duka ko ina amma lakwal a hidda siyasa duk wanda ya zo ɗan lakwal kai ɗan minista ne kai ɗan talaka ne kai ɗan mihirɗe ne kai ya zo a min fi digalite to lakwal ba ta zan haka nan ba gwamnati ya riga ya ka bambanci ya cikin abu in ba a hidda siyasa ba lakwal ko gobe abin da za a yi kare haka to yanzu irin wannan abin da ya faru a cikin lakwal yara mushani ne kadai suka rena ko da uwaye masu rena Sa'ar mu za wajen ke uwa ke dai a ce muna iya ta cikin uwaye biyu uwa ita ta zama kwarai da da diya ita ke zama gida da su irin wannan comportment kin kuma uwaye kuna ganin irin wannan wani kolar wani violence wani wajen yara ko in suka je lakon ne dai suke shajen comportment ko a gida ma haka nan suke da tashin wannan hankalin a gida ba su yin haka nan wasu na yin haka nan amma wasu ba su yin haka nan mm. yaro ya ta tashin zuciya ya yi ta eh, hwada ya ta fitina yanzu wata uwa yan an kace mata ga dan ta cin shina shina hwada ko ko yayi wani abu haka na banna in ta san ta ba danta ta kulawa sai ta ce ba rewa na ba dai ba ta yarda ba ta yarda a saurara ita ko ta san abin da ka yi waje ba mai cikin gida shina ba ta respect ɗinta eh. amma a waje bai ba shi haka nan a waje wani ne kuma eh wani aka je lakwal a soya kuma gida wani ne lakwal kuma wani eh on va revenir vers vous monsieur bukari yaro in ya je lakwal yana da wani comportement in ya dawo gida na da wani comportement ni ke haruwa dukkan ça fait partie de de la mal éducation har dai ana nan eh ça fait partie de la mal éducation saboda in kin nura education kin da ka ba ka ita lakwal ta ka biya te eh madalla sai zamanto yaro shinan shinan miki lumbu lumbu ke kanki kya kasa ganewa saboda abin da yasa ita ta gane nan shine mata wani lumbu lumbu akwai kato nan cikin gida mai shirin cimewa in yayi shigantaka can kwale kwalwa wani da tabi ne kaga kenan activities da kika yi dole su zama parallel ta lakwal daban ta gida daban ta gida daban okay shigantaka ta gida daban ta lakwal daban saboda lakwal ya san dai ba mai mai magana kya gane dan ban sani ba la si ko ne kalkan la directeur, directeur na, na Canal 3 Niger. Eh. Bare Hamidu. Eh. Ilmatani an eh, kalas da shama. Ga haduwa da shi ga hanya ban isa ba. Kun ba di dena ba. Kai kanka kan on te di a ah, wanga sai nan sanyan. Da ke kilo tu sais que take ta nan sanyan. Mais c'est zaman to yanzu ni ai na faɗa miki yanzu nace miki lan sanya ma to lidan ne reku. An rena an sanya ma. Eh kuma c'est pas les les paysans sont na an sanya ma. C'est l'état. C'est l'état. Eh ni na san na san da inda mu karatu. Lokacin an kai an kai na san matsayi ne. mais sai an kace akai kwantar dan kwantara na ba dan kwantara gina. ha an kai un enseignant titular de contractual yanzu waɗanda renin da contractual a yi titular ok parce que nan gari an n'a jamais été à l'école qui ne peut même pas écrire son nom yasa an kai da an kai an kai an kai an kai an kai an kai da cikin an kai nan cikin garin buza ba wai wani ba dans, ce qu'ils décrivent, dans ce qu'on vit, comment vous vous sentez face à cette situation, de par votre position Voilà. Euh, mhm. Euh, mhm. Euh, elle a tout à fait raison. Ce problème, le problème de la violence au milieu scolaire si l'enseignant n'est pas respecté, si l'enseignant n'est pas pris, n'est pas considéré comme une autorité, pour revenir à ce qu'il a dit, c'est ça. Dans les villages aujourd'hui, même dans les villes, euh, un enseignant surtout contractuel ne vaut pas grand-chose. C'est notre dernier recours. Beaucoup, l'enseignant est maltraité et il est maltraité en un mot comme en deux mots, comme l'a dit l'autre. L'État les parents, les parents d'élèves, les enfants, le problème d'autorité de l'enseignant. Voilà ouais. donc, euh, do abun da za a ba mushe za a sa cikin condition ba kame kame ne, tum kada warwara ne, ba a zuwa ko ina. kun ji dai abin da Isuf ya ce duk abin da za a yi ba an sa mushe cikin condition ba an ba shi girman shi na da duk kama kama ne za a yi ta yi. To, ko dai muna neman huta. Yanzu za mu ji eh, cikin wannan rubrikin dondi da waye hira et eh, on se reprend juste après. Nous sommes donc au studio Flo Wolf. Flo Wolf, Dondi, la machine te souhaite la bienvenue, mon frère. Merci, de toute façon, tu as crié là, je peux filmer. <laughs> ça fait partie, bien sûr, euh, du concept. C'est ça un peu, l'artiste s'exprime du studio Kalangu. Ça va, Flo ouais, ça va très bien. Parle-moi de Flo. Flo Wolf à l'état civil tout ce qui va avec Flo Wolf. Euh, pour commencer, je m'appelle euh, Monsieur Florent Sessou à l'état civil. Ok euh, artistique, on m'appelle Flotti. Au sein du studio, on m'appelle Flo. <laughs> Donc c'est pour ça que le studio s'appelle Studio Flo. Je suis un jeune artiste, compositeur, interpréteur aussi. J'ai commencé la musique en, en 99, 2000. Euh, j'ai commencé au Bénin en 99 et j'ai continué ça à Niamey en 2000 en voyant comment le hip-hop ça évolue donc euh, je me suis vraiment poussé dedans pour aller plus à fond. Avant j'écoutais beaucoup les RDS, euh, les BSB vers le Bénin et après je me suis approfondi dans ce que je fais comme musique parce que déjà à la maison, chez moi, la famille est musicale. Ah, ok, d'accord. Oui, ma mère chante, mon père aussi il chante. Donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe du mono. Ok. Donc à travers ça, je chante déjà. Donc après je me suis perfectionné dans le rap. C'est ça un peu le début de, l'artiste. Alors parlons un peu du beatmaking, c'est ce qu'on dit. On sait qu'aujourd'hui, euh, tu fais partie des meilleurs ici au Niger. Parlons un peu de tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé euh, Ce qui m'a poussé dans le beatmaking, au fait, je suis allé à Zender dans l'objectif de faire mon propre album. Donc, euh, j'ai mon patron qui s'appelle Jean-Louis, qui est mon père aussi, adoptif, si je peux le dire. Et donc, je suis allé, il fait mes compositions et tout ça, donc n'étais pas vraiment à l'aise parce que je me trouve pas dans la composition qu'on me fait. Donc du coup, il m'a dit, mais essaye de faire toi-même, <laughs> peut-être tu vas arriver à faire mieux. Donc il m'a dit ça juste ouvertement comme ça. Et il a une machine à la maison, donc euh, moi j'ai pris la machine, j'ai réparé la machine parce que j'ai fait de l'électronique aussi. Donc euh, après, j'ai bidoué la machine, ça marche. Après, j'ai commencé à regarder comment il fait à la maison. Je reproduis la même chose. Et un jour, il était surpris. Il me demande c'est l'instrument de qui. J'ai dit non, je les ai composés. Donc il, ça l'a vraiment surpris. Il a invité des gens à la maison. On a écouté des trucs comme ça. Donc euh, c'était un wow. Donc après, une fois au studio, il me montre un peu plus les mains, comment ça fonctionne et tout ça. Et donc, c'est à partir de là que je suis parti. C'était en 2002-2003. Parlons un peu du studio Flow. À Niamey, quand est-ce que tu as commencé Où est-ce que tu as commencé euh, Je me suis installé à Niamey en 2005. Ok et j'ai fusionné avec euh, une association qui s'appelle l'association Foufo. Donc c'était un partenariat. Donc on a travaillé ensemble, on a fait des grands projets ensemble, comme notamment le projet avec l'ambassade d'Amérique, notre hip-hop. Donc deux h pour la paix. Donc on a fait cette compilation et après beaucoup de travail. Quand je me suis installé à Niamey pour la première fois, euh, je pense euh, en six mois, j'ai enregistré 800 et quelques sons. 800 et quelques sons en six mois Oui, oui, en six mois et deux albums dans les six mois. Au fur et à mesure, aujourd'hui, je ne peux même pas compter combien de singles j'ai enregistrés. Et même les albums, voilà, il faut que je compte pour pouvoir me repérer combien d'albums j'ai enregistrés. Alors, on va parler un tout petit peu des difficultés que tu as rencontrées, euh, bien sûr, avec les artistes, euh, avec euh, le métier, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. C'est important de d'énumérer cela, Flo Wolf. parlons de difficultés. Les difficultés, ça ne manque pas. Mhm. Sur notre chemin, on raconte <laughs> toujours des difficultés en matière de musique. Mais généralement, moi, je n'ai pas vraiment été face à ces genre de problèmes ou des problèmes d'asile animaux où le gars ne veut plus de moi, ne veut plus travailler avec moi, c'est là. Je suis pas dans cette optique-là. Mm. Alors parlons un tout petit peu de ce que toi tu as gagné dans le beatmaking. Euh, en termes clairs, j'ai beaucoup gagné dans le beatmaking. Okay. Euh, n'empêche que je ne veux pas parler sans dire que la musique ne nourrit pas son homme au Niger comme il le fait Le beatmaking euh, nourrit son homme au Niger Pas vraiment. Ah, si l'artiste souffre, ça veut dire que le beatmaker souffre aussi. Ah, si l'artiste gagne de l'oseille, c'est qui veut dire que le beatmaker, il a deux fois plus. Ah ouais. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Alors, l'instinct est solennel. L'artiste s'exprime, te donne aujourd'hui la possibilité de dire tout ce que tu as au fond de toi. Moi, ce que j'ai à dire pour tous les artistes, c'est de creuser plus. Ça veut dire, on est toujours sur une plateforme où on est toujours ici. On n'essaye pas d'aller plus en haut vers les échelons grimper plus haut. Si je le dis, c'est pas pour vexer des gens ou bien pour dire que l'artiste ne force pas. Il y a des étapes que l'artiste force, c'est le côté artistique. Il essaye d'être mieux, d'être la star que tout le monde veut voir. Mais au-delà de la star, où est-ce qu'il veut aller On ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il y a du festival pour qu'on puisse participer. On est toujours là, calé dans notre coin, on regarde pas les infos pour s'enrichir. Quand une cherche pas, tu ne peux pas grandir. Tu vas toujours rester dans ton coin et à un moment, quand un autre artiste va venir, mais tu vas être à la touche. Ainsi parle Flo Wolf. Hey. C'était la rubrique L'artiste exprime. Aujourd'hui à la FADA installée euh, à la radio Takarkara de Bouza. Yo, FADA Les jeunes enseignants qui sont aujourd'hui avec nous, les parents d'élèves, les OSC de Bouza. mu ji mi ke ruwa cikin lakwal mi yasa ake jin irin wannan tashi hankali fitina cikin lakwal musgunawa cikin lakwal mi ya kawo haka za ni ci gaba da tambayoyin nawa bayan wannan wani irin matakai ne aka dora ina iya zuwa wajen ka kai eh, ibrahim na sandika akwai matakan da kuka dora bayan wannan abin ya afku qu'est-ce que vous faites à votre niveau effectivement mhm. des décisions des actions ont été menées mhm. euh, qui sont euh, relatives au drame, euh, la première des choses, c'était de suspendre les activités, que nous nous enquérons de la situation, comment ça s'est passé et quelles sont euh, les démarches à suivre. Et ce que je remarque de malheureux, surtout quand nous avions informé les autorités académiques de la suspension des cours, ça doit être lundi, je crois, aux environs de 20h et quelques, parce que nous avions appris ça euh, après 16 heures, j'étais en classe, on m'a appelé, on m'a fait le compte rendu de l'association. Mhm. J'ai saisi les autres, nous nous sommes près de l'association. Ensuite, nous avions tenu une réunion d'urgence. Les autorités n'étaient pas contents. Vous savez pourquoi Ils nous ont demandé, mais attendez, est-ce que vous savez que demain, c'est les examens blancs Nous, nous parlons d'une vie qu'on a arrachée à la fleur âge d'un enseignant qui n'est pas mort d'une mort naturelle, mais qui a été assassiné. Le malheur, c'est par son élève primo. Secondo, à l'école, il a commencé un cours de grammaire, je crois qu'il n'a jamais fini. Et ces autorités-là, le souci, c'est que les examens blancs, vous savez ce que ça veut dire un examen blanc C'est un examen où on essaie de voir est-ce que vous avez compris pour voir, pour remédier. Face à ce drame-là, est-ce qu'il y a matière à comparer Donc, c'est la première malheureuse remarque. C'est pour corroborer ce que mes prédécesseurs ont dit, que malheureusement, malheureusement, l'enseignant, non seulement il est dépouillé de toute autorité, mais il est délaissé. Nous, nous avions pensé que quand ces autorités-là vont apprendre ça, ils seront les premiers devant. Quand nous allons dire de pour une journée, ils vont dire non, pour deux jours ou pour trois jours, on va comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Nous avons compris à l'instant que nous sommes seuls. Très malheureusement, ah, c'est un enseignant en bourse, c'est un contractuel, mais s'il n'est pas parti là-bas, qui va aller il faudrait obligatoirement quelqu'un pour aller enseigner ces jeunes-là. Ces drames, ça arrive, mais si l'enseignant est protégé par son administration d'abord, il peut se sentir en sécurité et ça peut le rassurer. Mais quand tu meurs aujourd'hui et que demain on te dit qu'on a continué à faire court, euh, c'est malheureux. Donc après la suspension, mhm. nous avions entrepris des démarches pour voir quelle serait l'action judiciaire que nous allons mener. Et heureusement, euh, avec la famille du défunt, euh, nous avons synchronisé, nous avons pu faire quelque chose Ensuite, nous avions engagé des cotisations. Parce que c'est un enseignant contractuel, il est jeune et il fait partie des fruits de la famille. Maintenant, son élève l'a supprimé et qui va continuer à assurer ce qu'il assurait. Donc, pour euh, secourir les parents, nous avions engagé des cotisations localement, nous avions eu quelque chose de. Et, quelques, des départements et même des régions nous ont emboîté le pas. Et le premier responsable, c'est nos autorités. C'est à eux de nous protéger. Si nous nous sentons dans la protection, nous pouvons oser prendre des mesures. Mais aujourd'hui, quand tu vois un enfant avec un couteau, euh, tu vas fuir parce que euh, Moussa Dankande est parti. Qu'est-ce qui est fait Jusque-là, nous, moi, je n'ai pas connaissance. ku na faran da life akwai abubuwan da akwai matakan da kuka gani kuke iya dauka don a rage irin wannan tashe tashen hankalin da fitina cikin lakwal akwai wata wata sabuwar tahiya da kuka gani za a sauya ko da wata shawara da kuka kawo shawara da yanzu sai dai an haɗu na ai gaba ɗaya a shawara ko mm. a dibi matakan da za a ɗauka sai an haɗu na gaba ɗaya da uwayen yara da musannin lakwal an ka haɗu gaba ɗaya sai a yi shawara a ɗauki matakan da za a ɗauka a ba a samu haɗuwa ba ba a samu haɗuwa ba. Kuma da wajen uba shi kuma ya kuka ga abin. haka ne wannan abu da ya faru gaskiya sai addu'a sai du'a fiske abu ne in Allah riga kaddarta shi ba wanda ya hana shi haka ne amma abin da cancanta yanzu sai dai ai ta waye ma uwayen yan lakwal kai su zan hattara yaron su in zai ta lakwal ya kamata su bance kai ko kuma in ya dawo da lakwal me an kai muku kakane kakane don kenan sai da suvi ce mai ko mhm, mhm. vala to muna ga yi bakin kokarin mu mu duka an tanke faran da wannan abu da ya faru ba mu ji daɗin shi mun yi Allah wadan shi har gobe kuma muna Allah wadan shi kenan duk wanda adda wannan tunani cikin kanshi shi ebe shi eh dan mushe kambacin uba hake haka ne kenan in ka darjanta ka. lokacin nan za ka darjanta baba eh in ka gani yaro nan tunda deja ma kamar ga kisar da muke ji yaro deja yaro ne da an ka sani cikin gari en vre en poli tantiri uban shi da kanshi ne zai yi hwaɗi tantiri ne shi abu ya Allah rige kawo shi ya kawo shi ne amma yaron tun can farin ma ba mai ladabi ba ne tantiri ne a garin su ma okay to kin ji don ko wannan kuma sai in ce wannan abu da ya faru wai ba cikin jihar Buza ba ɗaya ne ya faru cikin Nijar gaba ɗaya ne na ji an haɗi maraɗi na ji an haɗi zandar na ji an haɗi nyame na ji an haɗi ta babu inda wannan manifestation bai tashi ba na bisa inda yara su nema musanni eh, walakanci to wane ne makasudi ke gwamnati shi ne gwamnati ne allahi ɗari bisa ɗari paske shahidda siyasa ni ina in ce shahidda siyasa da cikin lakwal eh, ina son lakwal ta ci gaba faranshama kun shi dai eh, abin da sunan hukilan gaba abin da isa yakuba ya gai le président de l'association des parents d'élèves ici à Bouza ya ce a hidda siyasa cikin harkar karatu in ya so komi za ya tafiya daidai to yanzu za mu zo mu shakata da eh, hadiza mangu eh, mu kwal et eh, on se reprend juste Ami da Lafada mu dawo cikin na fadar inda muke muna hira bisa kan tashin hankali da fitiloni da ake cikin eh, makarantu musamman ma a nan abin da ya faru abuza abin ba daɗi wannan mushe da ya rasa eh, ran shi da duka irin tashin hankali muke ji a cikin garuruwa na kasar mu ta Nijar shi yasa yau muka ɗora wannan fada tare da su don mu ji mafita ni ke faruwa kuma da yanzu zan zuwa wajen ka bukari kai zan mata mai ta ta karshe ina so in ji shawara ka ta karshe bisa kan wannan shirin bisa kan wannan matsala ta tashin hankali da fitina cikin lakol to ina jin ka eh matsala ta farko matsala ta farko tana ga tana ga eta matsala ta biyu tana ga faran da lef mm. saboda kamar mi matsala tana ga faran da lef an sanyan na an ka dauko daga talabiyar an kai shi karshen difa ki san sai le protéger c'est pas eta da ta zo sai ta ce muku wanga kai malami na haba malamin zamani na dan kwantara na kenan ita kanta da ta doko shi ta kawo ba ta ɗaukai da muhimmanci ah do faran de lef an nuna musu akwai siyasa cikin lakwal saboda wanga yaro da ya fonyar dan an san yanki ne sorete ta dike ba wai ya yi fonyar ne na bai rike shi na yi da yuka ya kama shi an flagrant to shi wannan an san ko a ma rejile ne da kwantara kin ko a taddo shi da garin saboda uwayen yaro da siyasa suka bugun gaba saboda siyasa namu in kin ga mutum goma ta hito guda na yi lakwal cikin su shine adda fahimta kake dibe mutum na diplom ilimi ba diplom bane yanzu sai an ka ce ah, no no no babu sha timan corporal kakka bugi dan kowa eh in kana yi kai in ba kai ni na ran kai l'enseignement même n'aura pas l'audace d'enseigner l'enfant parce que ni a wajen mu ma'aikanka ma ban da wata valor kai elef eh, da ka zaka baka wuce a heka ba kare na ni eh je kan duruwa da tafi ko danki yanzu ki ce wane bari ya bari sai kya tanko sai kya ja kunya ta bance ka bari ba a filifar da zan nan sanya ki faran tuzon tan a baka da zanfa wani da biyu na gare cikin gida bai sai ya ba in ya da ta sai dare saboda kururu yan yaran nan su biyu a ce mutum a baka karan sanka elef ci ba jere le karan sanka elef fantan da zuwa a ce kuma kai kai baka da wata autorite bisa ga yaran nan sai an san sai in ana son a ga hasken abun nan su magabata ai ba irin hogala kwalta sun kai ba ta yanzu yau dan ki zaki aihuwa shi ce mamma ƙarya take kai ni zan fara bugu ne parce que sai an manka da respect sai ni mauvaise education wannan ya ya danganci al'adabu al'adan mutata bisulunci wannan kuma dun Nigeria inda shike dan ki dai keke a ki in yace mamma ƙarya kike duk wanda kusa da rike in dai mai jin ciwon kina sai ya bugai sai ya shaka shi saboda ilta bukuman ke da respect kuma bayan ya kusa zan ce a ke ho ka bata yaron gawa tun da har ya bude baki gaban bayanan jama'a ya ce ƙarya kike kenan el peter sa a nan fartuki to abun ga muna ya kamata diyan mu na mu kai lakwal mu shan nan gama diyan mu na ba wai da wani wuri na aka ɗauko su ba eh ma'aikanta su ma namu na dan nan na sun kai ta ba da wani wuri suke ba da sama na an su kenan a zamna a yi tan problem ha a samu a yi problem a samu a goge wannan matsala kun ji dai bukari wannan zance ka kare shi ka ma liƙe shi zani cewa amma na mana fada kun ji dai Mu mushe dai sai an dawo an maida mishi darajar shi ta da wadda ke gare shi kuma wannan daraja gwamnati ya kamata aka ce ta bashi wannan daraja su uwayen iya su bashi wannan daraja kuma a ce in ya shiga cikin lakwal yana da wannan daraja yara suna ganin darajar shi to kan yi ban kwana kwata kwata official man da wannan wanda na gaita olivier zan baka dama ka zo mun kai mara kronikin ka to me ka zo mana da shi yau salut ravi j'espère que tu vas bien je vais super bien Wally les années passent mais mon hausa n'évolue pas bon qu'est-ce qu'on va faire hada hausa ka arma attends on avance comme ça <laughs> Amis auditeurs et auditrices, uh-huh. chers amis qui nous écoutent depuis le début, vous l'avez compris, nous sommes à Bouza ce soir et on est en train de parler de la violence en milieu scolaire. Et moi, ce soir, dans la chronique, je vais parler de valorisation. La valorisation est un mot qui désigne la valeur qu'on donne à quelque chose, à quelqu'un, à un prix. Pour ceux et celles qui sont amateurs de foot ou bien qui aiment le foot, ils savent très bien que des joueurs comme euh, Mbappé n'ont pas les mêmes valeurs comme euh, Moussa Mazou du Niger. Même si Moussa Mazou est plus âgé que Mbappé, Mbappé est encore plus cher que celui-ci. Tout ceci pour vous dire qu'on peut faire le même métier sans avoir la même valeur. Aujourd'hui, les enseignants, qu'ils soient contractuels ou pas, une question se pose, quelle est leur valeur, leur valeur marchande en 2022, être enseignant, est-ce un métier valorisant C'est la question que je me pose. En 2022, est-ce qu'il y a des métiers valorisants qui existent d'ailleurs C'est la question aussi que je me pose. Quand on sait qu'en 2022, un jeune de 12 ans peut tuer, poignarder un enseignant jusqu'à celui-ci ne perde la vie, on se demande aujourd'hui quelle est la valeur d'un enseignant Ou bien qu'est-ce que ça vaut la vie d'un enseignant Ce soir, nous serons incapables de le dire. Mais il y a quelque chose qui m'étonne et qui nous étonne ici tous d'ailleurs. Celui qui a été tué, malheureusement, cet enseignant, un figure masculin. Et ça sent très bien qu'en Afrique, l'homme, c'est celui qui représente encore une fois l'autorité. Alors, si les enseignants sont tués, qu'en est-il des enseignantes Parce qu'il y a aussi des enseignantes. Mata 40 ans mon Allah Su yanzu cikin tsoro ma suke dan hima za Cikin tsoro cikin hirgita suke. Eh, cikin hirgita suke. Ce parent d'élève nous dit que les enseignantes de cette localité ont encore plus peur parce que à la base, c'est des femmes et que les femmes ont plus peur <laughs> que les hommes. Quoi de plus elles ont vraiment la crainte d'être agressées euh, dans leur métier. Quoi, quoi de plus normal C'est aussi ça, la loi de la nature. Et partout, c'est presque comme cela. L'homme est celui qui est censé protéger. Et si le protecteur est agressé, j'espère que la protégée est aussi en danger. Je reviens sur le thème de la chronique de ce soir, la valorisation. La valorisation, elle vient de nous les journalistes, elle vient également des directeurs d'établissements, elle vient des proviseurs, elle vient des préfets, des maires, des parents d'élèves. Tout simplement, je demande à ceux et celles qui nous écoutent ce soir de valoriser le métier de l'enseignant parce que l'avenir est construit l'avenir est bâti. Et la personne à qui la société a délégué le rôle de bâtir les avenirs, cette personne a un nom et ce nom, c'est l'enseignant. Merci. Merci bien. Merci Olivier, merci à toi. Bah, c'est la fin de cette émission.